le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous fidèles auditeurs et auditrices du forum du studio l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum d'aujourd'hui c'est le non-respect des prix des produits réglementés au Niger sur le marché, cas du gaz domestique. Comment expliquer le non-respect du prix des produits réglementés tels que le gaz Quelles sont les mesures durables pour garantir le respect des prix fixés par l'État pour ce qui concerne le gaz domestique Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Abarchi Soumana, chef de division contrôle et contentieux du ministère du Commerce, et Mahaman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Et pour la présentation, c'est moi, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de ce soir qui a pour thème, je le rappelle, le non-respect des prix des produits réglementés euh, au Niger, cas du gaz domestique, la régulation des marchés, une des attributions de l'État pour rendre disponibles et accessibles certains produits commerciaux. Ces derniers subventionnent et réglementent les prix de certains produits qui peuvent l'être. Ainsi, les prix de certains produits sont fixés à l'avance de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le respect de ces prix, malgré euh, la réglementation pose problème. Aujourd'hui, sur le marché, le prix du gaz est à 5 000 francs pour la bouteille de 12 kg au lieu de 3 750 francs et 2 500 francs pour la bouteille de 6 kg au lieu de 1 800 francs. Ce soir, nous tentons de voir de plus près les raisons de ce non-respect des prix fixés et les mesures à envisager pour y remédier. Pour commencer, euh, je donne la parole à, notre invité ici présent. Je euh, vais vous présenter à nos auditeurs et présenter brièvement la mission du service euh, dont vous avez la, charge. Mhm. Monsieur Abarchi Soumana. Merci, monsieur Alassane. Comme vous l'avez dit, contrôle, d'accord, tout ce qui est activité économique, donc chargé aussi de la répression des fraudes, d'accord, et du contentieux, des contentieux qui peuvent naître d'accord, entre, euh, dans le cadre du contrôle. Mm. nous avons effectivement la charge du, du, respect des prix qui sont fixés par l'État sur tout le temps du territoire, effectivement, ça. Alors, le gaz domestique est-il subventionné <coughs> par l'État ou pas Il faut peut-être préciser que dans le temps, c'était subventionné, il faut le dire, mais depuis après, à partir de 2012. Pourquoi dans le temps c'était subventionné euh, C'était pour un peu atténuer la souffrance de nos populations que l'État, en toute responsabilité, prend. Parce que pour que ce gaz-là soit accessible aux, ménages les plus démunis, pourquoi l'État subventionné Et parce qu'à l'époque aussi, la, euh, production du pétrole n'a pas commencé. On n'avait pas commencé, effectivement, nous n'avons pas, les, on pas, on produisait pas le pétrole. D'accord. Maintenant, à partir de 2012, nous sommes devenus producteurs, importateurs aussi. Alors là, on ne parle plus de subventions. Mais peut-être s'il faut peut-être parler de subventions lorsque euh, on importe en cas d'arrêt pour cause de maintenance au niveau de, de la SORAS, lorsque euh, l'État donne pour éviter la rupture, on donne la, en tout cas euh, l'autorisation aux importateurs d'aller prendre ça dans la sous-région. Et donc, vous conviendrez avec moi, lorsqu'on l'importe, ça devient plus cher. Mm. Maintenant, ce qui est venu en Suisse, d'accord pour encore pour stabiliser le prix, euh, l'État prend, subventionne le, surplus. Voilà un peu dans les cas où on peut parler de subvention. Mais sinon, en réalité, il n'y a pas de subvention. Voilà. Donc, le gaz aujourd'hui, mhm. du moment où le Niger est producteur de pétrole et que le Niger est, euh, à, même de, produire du gaz aussi et de mettre à disposition du gaz domestique, mhm. de, il n'est plus subventionné. Mhm. Mais ce, ce, produit est quand même réglementé. Les prix de vente de ce produit, euh, en tout cas, sont réglementés de commun accord avec, euh, en tout cas, l'État du Niger et, les différents euh, partenaires. Euh, comment est-on arrivé à réglementer la vente du gaz en arrêtant des prix fixes pour sa vente au Niger et cela sans subvention Pour la fixation des prix, surtout le cas spécifique du gaz, il y a un comité qui est chargé de réfléchir sur la commercialisation des produits de la SORAS, à l'intérieur duquel il y a pratiquement toutes les parties prenantes, les marketeurs, les distributeurs, la société civile, d'accord, les associations de défense des de droits des consommateurs. Mm. Donc c'est à travers ces comités-là que les prix sont fixés. Mm. Donc en commun accord. Mm. Comment est-ce que tout le monde est arrivé à accepter ce prix Vous savez, c'est au sein, au sein du comité où toutes les sensibilités sont représentées. Dès lors que toutes les euh, sensibilités sont représentées et qui sont tombés d'accord sur un prix auquel le gaz doit être vendu. C'est un prix consensuel qui a été arrêté en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Mmh. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes, les, gens ont d'autres voies de recours mmh. pour remonter à qui des droits, mmh. d'accord, leurs préoccupations, pour qu'on en tienne peut-être euh, compte en, faisant appel au comité dont, j'ai cité tantôt. Est-ce que vous avez l'impression que l'objectif visé à travers, euh, en tout cas, ces prix euh, fixés est atteint On constate d'abord qu'il y a une prolifération des sociétés de gaz qui naissent. Cela veut dire que quelque part, l'objectif est en train d'être atteint. Il y a une prolifération de, sociétés de qui créent, de, distribution de gaz qui sont là. Qui sont, cela veut dire que c'est encore quelque chose de, vivant. Mhm. D'accord. Euh, là, aujourd'hui, mhm. on constate que mhm. sur le marché, le prix du gaz diffère d'un point, de vente à un autre. Et généralement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sur le marché, on trouve que le prix du gaz de la bouteille de 12 kg se vend sur beaucoup de points de vente à 5 000 francs au lieu de 3 750 francs arrêtés de mm-hmm. commun accord dans le comité dont vous avez parlé. Et le prix de la bouteille de 6 kg est mm-hmm. vendu à 2 500 francs au lieu de 1 800 francs mm-hmm. arrêtés de commun accord. Cela contrarie un peu euh, l'objectif visé. Bon, vous savez, le prix, c'est quelque chose de très sensible. Et peut-être il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela, d'accord Puisque les revendeurs doivent répondre, c'est-à-dire doivent partir prendre au niveau des sociétés distributrices et qui doivent avoir un dépôt et que les sociétés distributrices aussi doivent fournir, doivent amener, approvisionner. approvisionner les différents points de vente. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain Il y a des gens qui viennent et qui créent leur propre point de vente, ils partent chercher au niveau des sociétés, au lieu mm. que les sociétés les ravitaillent. Mm. Donc ce coût-là, il répercute ça sur le consommateur. Voilà l'un des problèmes. Et cela produit un effet d'entraînement mm. au niveau des autres qui, qui sont même approvisionnés. Donc ce qui fait que ça devient une situation qui, qui s'est généralisée. Car cela ne ceci n'est pas toléré nous, nous, recevons des plaintes des consommateurs. Souvent, on, part et puis et la sanction est faite. Ils sont pénalisés quand même conformément aux textes qui sont là à la matière. parce que euh, mm-hmm. cette, euh, ce prétexte qui est mm-hmm. souvent utilisé au niveau du ministère, mm-hmm. euh, c'était c'est pour éviter, pour éviter justement que les gens prennent le prétexte du, transport que le, le ministère avait institué, le fait il soit ravitaillé sur place. Le, problème des ravitaillement quand vous considérez la seule ville de Niamey. Il y a une multitude de points de vente Et souvent, euh, les sociétés de gaz ne peuvent pas couvrir l'ensemble de, la ville de Niamey, par exemple, en différents points de vente. Euh, d'accord. Voilà souvent ce qui explique cela. Mais ceci est en train d'être euh, travaillé au niveau de nos services, puisque tout, c'est une question de texte. D'accord. Lorsque un texte est là, avant de rentrer dans cette question de vente, d'accord, il faudrait que vous sachiez qu'il y a un texte qui, vous est applicable, qui réglemente, ça. Et que lorsque vous vous décidez, ou bien lorsque, parce que pour, pour les autres sociétés et les différents points de vente qui sont connus des sociétés, c'est facile, d'accord. Mais ceux qui sont, qui sont difficiles, d'accord, à, gérer, ce sont ceux qui se sont créés à marge de ceux-là et qui sont là en train de créer d'effet d'entraînement sur les autres prix. Parce que dès qu'ils augmentent, prix, c'est lui qui a côté, va, il va dire d'uniformiser. voilà, Alors, le ministère du Commerce qui est censé, en tout cas, euh, réglementer, euh, et, faire le contrôle de tout ça, qu'est-ce qui est fait à ces niveaux Il y a un arrêté qui réglemente même les points de vente, mais il est en train d'être révisé pour que ce cas-là soit pris en charge le cas de ceux qui sont, puisque par exemple pour tous ceux qui sont reconnus, d'accord, il y a des comportements qui sont, d'accord, même le problème de transvasement est interdit, tout ça, conforme, mm. d'accord, pour les zones de sécurité, d'accord, voilà ce qui, tout ça là c'est interdit. Mais nous sommes en train de réviser ces arrêté pour que, puisque ça, devient un problème sérieux, d'accord, les gens se plaignent d'accord beaucoup, et que là, nous nous sommes penchés là-dessus pour réviser en tenant compte, pour que, il faut que lorsque vous rentrez dans cette question-là, que vous sachiez que, bon, voilà, ce que, je, sais que vous ne devrez pas faire, ce qui vous attend en cas de manquement de... Nous avons fait le tour en ville auprès de revendeurs du mhm. gaz domestique euh, pour connaître les raisons de, la majoration des, mhm. prix. Et ça, c'était donc il y a quelques jours mhm. euh, quand nous préparions euh, cette émission. Et nous avons visité six points de vente, mais personne n'a souhaité s'exprimer, prétextant pour la plupart d'entre eux que le propriétaire est absent. Je vous propose par contre de suivre l'entretien téléphonique que nous avons eu avec euh, Abdou Insa Issa, mhm. directeur commercial de la Société nigérienne des hydrocarbures Sonihi, relativement au non-respect du prix de, vente du gaz. Nous, en ce qui concerne la SONI, nous avons, malgré les pertes qu'on continue à subir, nous, nous respectons euh, la structure des prix. Parce que notre activité est régie par une structure des prix qui est mensuelle, qui est fixée par le ministère du Commerce, qui dit qu'il y a un prix de cession euh, revendeur et à partir de ce prix de cession, on a un prix consommateur. Donc ici à Sony, euh, la structure des prix, qu'est-ce qu'elle dit La structure des prix officielle dit que la recherche pour la bouteille de 6 kg est de 1650 et le prix consommateur est de 1800. Donc tous les revendeurs sont tenus de respecter ce prix parce que c'est une loi qui la fixe. Mmh. S'agissant de la bouteille de 12,5 kg, nous, le prix de cession des revendeurs est de 3500. Ils sont tenus de revendre ça au consommateur à 3750 depuis un certain temps, vous voyez la flambée, euh, l'explosion de ces prix. On va à 5 000 pour la bouteille de 12,5 kg, voire 3 000 pour la bouteille de 1800, ce qui est inconcevable. Certains revendeurs ont pris pour prétexte les pénuries qu'il y a eu. À... Hein. Non, vraiment, c'est euh, ça c'est un faux argument. Hein, c'est un faux argument. Mais effectivement, il y a eu à un certain moment, il y a eu des, des problèmes d'approvisionnement suite à des pannes techniques au niveau de la raffinerie, mais cela ne, n'explique pas spéculation autour des prix de, des recharges du gaz. Vous-même, vous avez un appel particulier À chaque fois que euh, vous me donnez l'occasion d'en parler, j'attire chaque fois euh, euh, l'attention des consommateurs de ne pas accepter ces prix. Je pense qu'on a une structure des prix officielle fixée par les autorités compétentes, un décret euh, euh, donc je crois qu'à ce titre, on doit respecter. Malheureusement, je pense que les consommateurs aussi sont, euh, sont souvent complices, parce que quand vous acceptez un, prix, c'est que, bon, quelque part, vous êtes aussi, vous hmm. acceptez, vous adhérez à, cette spéculation. Donc, vraiment, c'est pour moi l'occasion, encore une fois, d'attirer l'attention des autorités compétentes pour vraiment défendre les intérêts des consommateurs, parce que ce n'est pas normal les dispositions existent, hein, parce que vous voyez, au niveau du ministère du Commerce, il y a une structure euh, qu'on appelle euh, euh, le contrôle des prix. Mm. Cette structure est chargée justement de l'application stricte des prix officiels. Mm. effectivement, les dispositions existent je pense qu'aujourd'hui, euh, j'appelle justement euh, le contrôle des prix à user de tous ses moyens pour faire respecter cette légalité-là. Voilà, nous revenons au studio. Monsieur Abarchi Soumana, vous avez entendu, euh, on commence par le dernier appel fait par INSA, notamment le fait qu'il faut appliquer les textes par rapport au respect des prix. bien, nous avons suivi avec intérêt l'intervention de INSA de la Sonihi, effectivement, dans le même ordre d'idée, euh, mon service a fait une opération de vérification auprès de ces sociétés distributives et distributrices de gaz dont les rapports sont transmis à la hiérarchie. D'accord. Euh, effectivement, la SONIHI respecte les structure telle qu'elle a été euh, faite euh, comme je le disais tantôt, hein, c'est le problème, c'est au niveau des, des détaillants. Des détaillants. Alors là, il a parlé de, du comportement du consommateur. J'aimerais profiter de cette occasion, de son intervention, pour dire aux consommateurs que l'État du Niger a fait le, le plus important. C'est quoi C'est de légiférer. Il a légiféré en la matière, alors ils doivent, eux, s'en approprier. Aider le gouvernement à, à, protéger plus leur intérêt économique. En quoi faisant En refusant. D'accord, c'est pas facile, c'est vrai. Lorsque vous êtes dans une situation, d'accord, vous peut-être votre préoccupation, c'est d'avoir le gaz sur les champs. On ne sait même pas dans quelle constitution vous êtes venu. Alors, et le monsieur vous présente, d'accord. Mais je crois qu'il faut, il faut souvent prendre le sacrifice de, faire, mm. d'accord, des réfugiés souvent, mm. et de porter plainte. Je profite euh, la loi euh, sur les sanctions euh, concernant la loi de protection des consommateurs a été votée hier à l'Assemblée mm. à l'unanimité. Mm. D'accord Donc, il faut, c'est important. Mm. cette loi donne la possibilité aux consommateurs de dénoncer. C'est prévu dans cette loi. Donc, moi, je crois que tous les, les dispositifs juridiques sont là aujourd'hui pour que le consommateur, d'abord, s'impose sur, le marché par rapport à cette question des, prix qui sont fixés. Il a en tout cas la latitude de porter plainte, d'avoir, de dénoncer ce qui euh, n'est pas normal par rapport à, tout ce qui est fixé pour, euh, compris. Est-ce qu'aujourd'hui, il, il, y a une adresse à laquelle euh, les le consommateur qui qui constate qu'il y a, euh, en tout cas, euh, une exagération au niveau du prix de ces gaz. Est-ce qu'il y a une adresse, adresse à laquelle la personne peut faire appel pour, en tout cas, pour se plaindre, pour porter plainte Nos services sont là au niveau de toutes les régions, d'accord les services du ministère du, commerce. Oui, ils sont là. Et ils sont là pour, pour eux ils sont là pour eux. Et je dis mieux encore, et cette loi leur permet, c'est une loi même qui leur demande la possibilité d'aller porter plainte. Il y avait cette possibilité. Mais pour dire que c'est maintenant, les choses sont beaucoup plus sérieuses. D'accord, on, recevait même de, par le temps. mais aujourd'hui, on a inséré ça dans une loi de la République. Donc, ils doivent comprendre que la, la question, la préoccupation, d'accord, du consommateur est au centre du ministère du Commerce. C'est ça, il s'approprie cela. Est-ce que un consommateur qui mhm. va aller chercher son gaz, chez un distributeur, mhm. en tout cas chez un vendeur, un mhm. détaillant, et qu'il se rend compte que le prix euh, est, est, différent du prix officiel, est-ce que ces derniers peut porter plainte et à quel service précisément du ministère du Commerce Bien, effectivement. Lorsque vous constatez que les prix auxquels on vous a vendu le gaz, ou bien l'État a dit de vous vendre le gaz, d'accord, n'est pas respecté, effectivement, vous portez plainte. Vous avez la possibilité de porter plainte. Soit à la direction régionale du commerce, soit directement même au, ministère du commerce, le service du contrôle et du contentieux. Quel est aujourd'hui le dispositif euh, en clair de contrôle, des prix hum. La loi 92-025 hum. du 7 juillet 1992 hum. euh, réglementant les prix et la concurrence au Niger. Pour le cas du gaz, donc lorsque vous vendez à un prix supérieur au prix officiel, d'accord L'ordonnance dit que les prix là sont sanctionnés de minimum 100 fois au prix illicite. 100 fois. 100 fois, et ça c'est le minimum, et 1000 fois le prix illicite. Ça veut dire quoi J'explique clairement. Prenons l'exemple de 6 kilos, 6 kilos, qui se vend aujourd'hui ah, à, 2500 ah, au lieu de 1800. Donc tout ce qui vient après 1800 là, donc quand vous prenez, vous avez déjà 700. Cela veut dire que le, là, une marge que, même la société ne gagne pas sur, la bouteille que le revendeur vient de prendre. D'accord Mais 1800 ou 700, cela veut dire que c'est minimum 700 fois 100 au maximum 700 fois 1000. Voilà. Et par le nombre de bouteilles Par le nombre de bouteilles, hein. parce que vous avez pris un, bénéfice. Hein. Ça, c'est chaque bouteille. Oui. Ça, c'est chaque bouteille. Voilà un peu le dispositif qui est. Hein. Maintenant, le problème qu'on rencontre, c'est peut-être le problème de dénonciation que les, les, opérateurs, que le consommateur, j'allais dire, ne, rendent pas et, eh, eh, de façon effective les, plaintes. Peut-être sur, sur 10, à peine un vient vers nos services pour mm. dénoncer. Parce que souvent, euh, D'accord C'est le consommateur. C'est lorsque. Euh, qui subit ça. Ah d'accord Lorsque vous subissez, ça, vous venez. Vous vous rendez compte Et puis, on, les, services se transporte pour établir. Parce que plus vous avez, plus vous avez des, plaintes, cela vous permet mm. de savoir, de connaître l'ampleur du, phénomène. Du, du phénomène, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Souvent, on a, fait, on fait des pénalités. Hein. Il y, a des, des revendeurs, il y a des points de vente qui ont fait l'objet tout récemment, je crois 3 à 4, donc, dont les, consommateurs se sont plaints mm. et que les services sont partis pour. Euh, euh, saisir, saisir de la question mmh. et, qu'ils ont été pénalisés par rapport à ça, conformément à, à cette disposition dont je disais tout tantôt. Euh, en tout cas, on a vu que les gens peuvent porter plainte. Mmh. Est-ce que ces détaillants sont tous informés sont tous informés et, en tout cas édifiés par rapport aux, sanctions, par rapport aux peines, euh, on va dire, lucratives qu'ils encourent si, jamais ils enfreignent euh, cette réglementation Est-ce qu'ils sont informés Parce qu'il faut être d'abord informé pour prendre acte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut être informé. Mais euh, vous savez, euh, il y a un problème aussi de mentalité. Aujourd'hui, un texte qu'on vient, qu'on publie au journal officiel et que, d'accord, ça c'est la publication. Mm. Et que lorsque il est publié au journal officiel, euh, il s'impose à tous. Mm. Lorsque tu viens tout dernièrement, toi, tu dois chercher à savoir concrètement de, ce qu'il t'attend ou comment tu dois te comporter. Mm. Et malheureusement, ce n'est pas le cas le plus souvent. Les gens rentrent comme ça dans une profession sans savoir c'est quoi exactement pour cela, je crois que va, avec les autres structures, la Chambre de commerce, on va voir comment rendre périodique l'information, la, la communication auprès de ces, de façon générale, de ces commerçants. Voilà, c'est ce qui, moi, je, à mon avis. Hein, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui il y a un cadre de collaboration entre le ministère du commerce, euh, entre le ministère du commerce et hmm. les acteurs de défenseurs, euh, de défense des, droits des consommateurs Toute question qui regarde le consommateur, leurs représentants sont associés les consommateurs sont toujours là, à travers leur représentation, hmm. leur structure de défense des droits des consommateurs, ils sont tout le temps impliqués hmm. par euh, euh, le ministère du Commerce. Quelles sont en gros euh, les difficultés auxquelles vous êtes confronté euh, dans ce travail de contrôle, de contentieux pour le cas du gaz Pour le cas du gaz, l'un des problèmes que j'allais dire et que je le disais tantôt, mm. c'était ces, nouvelles structures-là qui veulent revendre qui veulent revendre du gaz. Mm. D'accord, ça, ça constitue un problème parce que un problème réel, hein, parce mm. que ils sont pas, d'abord ils sont pas informés mm. sur la question de, de la réglementation. Mm. Tu es obligé de faire la sensibilisation. Tu es obligé à chaque fois que quelqu'un est convoqué, tu es obligé de prendre la réglementation en vigueur pour lui faire comprendre, voilà, donc c'est que c'est que cela Donc voilà, ça c'est, c'est vraiment un problème, vraiment à notre niveau moi, c'est un appel que je vais lancer hmm. à l'endroit de ces associations-là. Parce que eux, ils sont. C'est des structures qui sont très écoutées. Hmm. Vous parlez de, quelle association L'association de défense des droits des consommateurs. Oui. Donc, nous, eh, qu'ils fassent de temps en temps, d'accord, qu'ils peuvent venir à nos bureaux pour au moins communiquer à leurs militants, j'allais dire tous les consommateurs, que ce soit vous, hmm. c'est vous et nous et tout le monde, d'accord Parce que de temps en temps, dans leur communication, qu'ils fassent un peu les textes là mm. que nous avons à notre niveau, mm. qui sont là, on peut leur mettre, mettre ça à leur disposition. Justement, nous allons donner la parole euh, à un acteur de la société civile, à un défenseur euh, des droits des consommateurs. Il s'agit de Mohamed Nouri. Monsieur Maman Nouri, veuillez vous présenter à nos auditeurs et présenter la mission de votre association, notamment l'association de défense euh, des droits des consommateurs ADDC Wadata, ainsi que de ses champs d'action. Moi, c'est Mohamed Nouri, président de l'association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Les objectifs de notre association, un, c'est la lutte contre la hausse injustifiée des prix des produits de consommation, le contrôle de qualité de produits et services, la promotion des produits locaux de bonne qualité, la promotion des normes de qualité d'un environnement euh, non polluant et l'assistance juridique aux consommateurs. Donc nous faisons aussi les enquêtes. Euh, aujourd'hui, nous voulons parler du prix du gaz Aujourd'hui, sur le marché, le prix du gaz est à 5 000 francs pour la bouteille de 12 kg, au lieu de 3 750 francs et 2 500 francs pour la bouteille de 6 kg, au lieu de 1 800 francs, comme euh, cela a été euh, arrêté et réglementé de commun accord avec le ministère du Commerce. Selon vous, quelles peuvent être les raisons de, cet état de fait La variation de prix par rapport à, en tout cas à la norme est liée à beaucoup de facteurs un, d'abord, tout ce qu'on peut remarquer, il y a un facteur spéculatif. Deux, souvent la rareté ou la disponibilité du gaz complique la situation de la disponibilité et par conséquent la spéculation et par conséquent la variation de prix. Et la troisième chose, c'est que la diversification des acteurs, qui est une bonne chose, a fait en sorte que certains acteurs, en tout cas, ne sont pas honnêtes vis-à-vis -vis du consommateur nigérien parce que les dispositifs qu'ils ont mis ne servent pas les Nigériens, ils servent ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement Je voulais dire tout simplement, il y a certaines sociétés de gaz qui malheureusement se sont installées le long des frontières des pays voisins. Au lieu de servir les consommateurs nigériens, ils vendent beaucoup plus à l'extérieur. Or, leur reconnaissance, c'est pour vendre aux consommateurs nigériens. C'est surtout ça qui a créé les impacts de la rareté et de la disponibilité du gaz à l'origine, en tout cas dans notre pays. Alors, par rapport à la pénurie qui arrive souvent, et nous avons discuté avec des agents du ministère du Commerce qui nous ont affirmé que euh, dans les moments de pénurie, euh, suite à des pannes techniques au niveau de la SORAS, l'État autorise les sociétés de distribution de gaz à importer du gaz et en même temps l'État supporte le coût supplémentaire de l'importation pour permettre toujours à ce que ces prix restent euh, stable. Oui, je sais que l'État a intervenu à deux à trois fois. La première fois que l'État a intervenu lors de, euh, de petites réparations annuelles de la SORAS, l'État a loué des citernes vides pour permettre à la SORAS de stocker une grande quantité de gaz pour la consommation, pour le délai en tout cas de l'entretien. Et je crois que ça a coûté beaucoup à l'État. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, l'État, pour un peu atténuer les risques de pénurie liés à l'entretien de la SORAS, a effectivement supporté les coûts supplémentaires par rapport à l'importation de certains produits, notamment le gaz, le gaz euh, domestique, pour approvisionner en tout cas le marché. Et je sais que ça, euh, au moins on est au courant, l'État a supporter ça. Mais n'empêche, les, les, sociétés, en tout cas beaucoup de gens profitent de ces situations justement pour pouvoir augmenter les prix, disant qu'il y a pénurie, donc euh, le gaz s'acquiert difficilement, donc il faut augmenter les prix. Comment euh, vous appréciez cet état de fait C'est un peu trop complexe, cette histoire de spéculation ou cette histoire de variation de prix. Il vous souviendra, la SORAS a commencé à fonctionner vers fin 2011, début 2012. Et que nous avons commencé à consommer notre carburant, y compris le gaz, autour de 2012-2013 pour le gaz. Et il s'est trouvé qu'en ce moment-là, quand les prix ont été fixés, aussi bien pour les hydrocarbures que le gaz, il y a certains facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Et je crois que ces facteurs-là qui n'ont pas été pris en compte, c'est surtout la sous-évaluation, en tout cas euh, des charges. en tout cas des sociétés de gaz. Cette sous-évaluation est liée non seulement au coût de transport, mais aussi à certains facteurs, à certaines taxes. Donc, de ce fait, ces sociétés de gaz, ils ont une association, ils ont présenté la situation aux autorités compétentes, d'abord au, euh, au ministère du Commerce ensuite à la primature et il y a un comité qui a été mis en place pour savoir la véracité des faits. Avec peut-être des documentations à l'appui, moi je n'ai pas participé sur la question des documentations des sources, mais j'ai participé en tout cas sur les questions, en tout cas euh, des différents euh, scénarios qu'on devrait faire pour clier prise en charge de ces, aspects-là. Donc il se trouve que effectivement il y a des problèmes à lié à beaucoup de facteurs. Et c'est en ce moment-là qu'on a proposé beaucoup de scénarios pour revoir le prix. Et quand on a fait les scénarios, nous, en tant qu'association, représentants des associations de consommateurs, on a défendu nos positions parce que les, sociétés de gaz ont défendu une augmentation qui pouvait aller jusqu'à 5 500 à 6 000 francs la bouteille de 12 kilos. Et là, nous ne sommes pas d'accord sur ça et même l'État n'étaient pas d'accord, puisque jusqu'à preuve de contraire, cela n'a pas été adopté. Seulement, étant entendu que eh, on était un peu conscient, en tout cas, de certains problèmes réels mm-hmm. que vivent ces sociétés, surtout mm-hmm. le coût d'entretien de ces, de ces bouteilles-là. Mm-hmm. Donc, nous ne sommes pas entendus sur ça. Et il se trouve qu'il y a certaines sociétés qui vendent, par exemple, la bouteille de gaz jusqu'à preuve de contraire à 5, 5 000 francs au lieu de 3600 ou 3800 francs les 12 kilos, ou 1800 ou 1600 la bouteille de 3 kilos. Mm. Donc cette spéculation, initialement, est liée, était liée à ça. Mm. Et c'est vrai, il y a d'autres les facteurs que j'ai cités précédemment. Mais il faut reconnaître en dehors des associations des opérateurs de gaz, mais aussi il y a une association des revendeurs. Eux aussi, ils ne font que de la spéculation quand ils voient souvent la rarité D'ailleurs, en bonne partie, en tout cas les raisons de cette augmentation, c'est les revendeurs. Souvent, certaines sociétés qui manquent de gaz, je me rappelle, ils font même de la transvasion. C'est-à-dire qu'ils prennent le gaz d'une société, par exemple 12 kilos, maintenant on parti dans une autre bouteille d'une autre société. Du fait de la rareté, en tout cas, de ces gaz-là pour certaines sociétés, ils ont spéculé, ils ont augmenté le prix. Et ce qui est dangereux et puis interdit même par, par l'État. C'est vraiment interdit et, et même sanctionné si, si, au cas où on arrive à découvrir. Et je me rappelle, on a même fait l'inventaire, nous-mêmes en tant qu'ADDC. On a fait l'inventaire, en tout cas, des centres de remplissage informels. Et il se trouvait qu'ici à Namé, il y a à peu près 6 à 7 centres de remplissage informels dont nous avons informé qui des droits et je crois que des dispositions étaient prises pour arrêter ce processus-là parce que ça met en danger pratiquement toute la population riveraine, y compris ceux qui manipulent ce gaz-là. Donc la question de la spéculation est une réalité, mais la question aussi, nos comportements en tant que consommateurs favorisent cette variation de prix du fait que quand vous cherchez, vous n'arrivez pas à trouver à chaque fois, quand vous trouvez, euh, dès qu'on vous dit le prix, vous n'hésitez pas à prendre. Quel que soit. Le consommateur nigérien maintenant est habitué au gaz. On a commencé à oublier le bois. Et à chaque fois qu'il y a cette petite rareté, dès qu'on trouve le gaz, à n'importe quel prix, les gens prennent. Ça doit cesser étant entendu que la situation apparemment s'est stabilisée. On doit revenir au prix normal tel que arrêté par le ministère du Commerce. Les revendeurs prétextent leurs frais de transport parce qu'ils vont se ravitailler au niveau des sociétés de distribution euh, au lieu d'attendre qu'ils soient ravitaillés et du coup ils importent ces frais sur, sur le prix euh, final de, vente. Vous savez, avant, même le prix qui a été fixé, le prend en compte ses revendeurs. Mais seulement, euh, reconnaissons que, en tout cas, le Niger est vaste. reconnaissant reconnaissons que certaines certains revendeurs ils vont venir certainement de contrées éloignées et ils vont venir surtout là où les, les, sociétés de gaz ne se sont pas installées. Et ces gens-là vont venir ici acheter, mettre ça dans les, dans les véhicules de transport ou les camions de transport et amener là-bas. Certainement, il y a des reports de coûts de facteurs sur le prix de revient, en tout cas de la bouteille de gaz et par conséquent sur le prix de vente ça ne peut certainement pas être la même chose, en tout cas, que quelqu'un qui est à côté de l'opérateur ou quelqu'un qui est à côté d'un revendeur qui n'est pas loin de l'opérateur de la société des gaz. Alors aujourd'hui, comment situer les responsabilités en fait Les responsabilités sont partagées, mais en premier lieu, euh, c'est le, le gouvernement. Moi, je crois que c'est à l'État de prendre toutes ses responsabilités. Ce n'est pas pour rien qui a l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Cette autorité doit prendre en charge ce problème-là. C'est leur rôle. C'est leur rôle pourquoi Parce que tout simplement au moment où le ministère du Commerce s'occupait de ça, il n'y a pas l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Le gaz fait partie de l'énergie et les hydrocarbures font partie de l'énergie. Et je crois qu'elles doivent en tout cas conjuguer les efforts avec le ministère du Commerce, je voulais dire cette autorité de régulation pour le voir de cas. Je crois qu'on a déjà fait une ou deux réunions avec l'autorité de régulation au ministère du Commerce. Et moi, à mon avis, le dossier doit être confié à l'autorité de régulation sur la question du prix et même sur la question de la qualité, sur la question du contrôle des dispositifs des vendeurs, des opérateurs de gaz, mais aussi des revendeurs conjointement avec le ministère du Commerce. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à un peu maîtriser cette spéculation qui dit pas son nom, qui est liée à beaucoup de choses et, et ça va permettre aux consommateurs d'avoir en tout cas le prix du gaz, le juste prix du gaz. En tant que défenseur euh, des droits des consommateurs, à votre niveau, euh, quel est le rôle que vous jouez Nous, notre rôle, c'est non seulement le rôle de représentation en cas de réunion sur la question du gaz, mais aussi on a un rôle de contrôle, de veille sur non seulement la disponibilité du gaz, mais aussi la spéculation y afférente par rapport au prix du gaz. Quelque part aussi, nous surveillons en tout cas la circulation de ces gaz, les opérateurs et particulièrement les revendeurs. Quand on voit un revendeur en train de vendre hors prix, on saisit qui de droit. Si qui de droit, c'est généralement un service rattaché au ministère du Commerce en son temps, Il y a vraiment les moyens personnels très limités, les moyens de fonctionnement très limités. Est-ce que la question de la sensibilisation fait partie aussi de vos domaines d'intervention Parce qu'on sait que beaucoup de gens ne sont pas informés et même au niveau de ces revendeurs, certains ne sont même pas informés de l'existence de certains cadres réglementaires. Et justement, à plusieurs occasions, on en a parlé de ce cadre réglementaires-là, et particulièrement du nouveau cadre réglementaire et institutionnel qu'est l'ARC. C'est vrai, les gens ne la connaissent pas. Et à chaque fois, je me rappelle, que ce soit lors des ateliers, lors des réunions et même dans les débats, souvent on fait référence. Je me rappelle, le dernier débat qu'on a fait, c'est sur Télévision Dunia, à Ossa, avec Maman Barboum, c'est la question de l'électricité. Et là aussi, nous avons orienté, en tout cas les auditeurs, nous avons orienté, en tout cas les téléspectateurs, vers cette nouvelle autorité par rapport, en tout cas, à leurs plaintes, par rapport aux problèmes qu'ils ont constatés. C'est un devoir, l'ARC a un devoir d'écoute, a un devoir d'enregistrement des plaintes de consommateurs et un devoir de vérification de ces plaintes et un devoir de mise en demeure au cas où à ce constat de problèmes réels, en tout cas sur le terrain, par rapport à, l'énergie de façon globale, et particulièrement par rapport à gaz. Quelles sont, à votre avis, les mesures urgentes et durables qu'on peut euh, pour garantir le respect des prix euh, fixés euh, concernant le gaz Le gaz ou les hydrocarbures de façon globale, ce sont les seuls produits où l'État arrête les prix. Sur les questions de prix, et sur les questions de la disponibilité et sur la question de la compétition entre les entreprises, il y a deux taxes très fondamentaux. La question de la concurrence et la question de la protection des consommateurs. Et je crois que, en tout cas, c'est des opportunités qui sont là. C'est vrai, c'est des nouveaux taxes, il faut les vulgariser, les faire connaître. Et d'ailleurs, c'est pour nous l'occasion de dire au ministère du Commerce, il ne faut pas que les taxes restent dans les tiroirs. Il faut qu'ils les partagent, particulièrement ceux liés à la protection des consommateurs, notamment les questions des infractions et des pénalités liées à liées en tout cas aux infractions sur la loi de protection des consommateurs, mais aussi la loi sur la concurrence. Il faut absolument que les acteurs connaissent ces dispositifs pour qu'ils évitent de les violer et pour qu'ils évitent des sanctions liées à ces questions-là. Et je crois que sur la question du prix du gaz, sur la question de la disponibilité du gaz, c'est la question de la compétition des acteurs sur le gaz, et je crois que ces cadres-là, juridiques, ces cadres réglementaires, peuvent atteindre. Et le plus urgent, c'est de commencer à les mettre en œuvre et surtout de mettre en place les dispositifs qui accompagnent les dispositifs institutionnels, qui accompagnent les dispositifs existants qui ont commencé à être opérationnels, tels que l'ARC. Et c'est ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le non-respect des prix de produits réglementés euh, tels que le gaz domestique au Niger. Le ressort que le non-respect des prix officiels du gaz s'explique non seulement par le non-respect de la réglementation en vigueur à travers la spéculation exagérée que font les revendeurs de gaz, mais aussi et surtout par les consommateurs qui jouent le jeu en acceptant les prix proposés par ces derniers. Comme l'a souligné nos invités, le consommateur dispose aujourd'hui de la latitude de porter plainte auprès des services du ministère du Commerce ou auprès de l'Agence de régulation du secteur de l'énergie. La récente loi de protection des consommateurs votée à l'Assemblée nationale protège davantage les consommateurs contre les travers des prestataires de services et de produits. Nous étions en compagnie de M. Abarchi Soumana, chef de division contrôle et contentieux du ministère du Commerce, et Mahaman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Présentation à Alassane Kouzi Mahamadou et à la technique Issa Lawali. Nous étions en compagnie de Abarchi Soumana, chef division euh, contrôle et contentieux du ministère du Commerce et, du ministère du Commerce. Merci et présentation à la Kouzi Mohamedou.